Je m'appelle André Latsengor, je suis le directeur de Caritas Thiès. Caritas se euh, réunit aujourd'hui portant sur le thème euh, face aux défis socio-économiques de l'entrepreneuriat des jeunes, enjeux et perspectives. C'est une occasion pour Caritas de revenir sur les actions menées au cours de l'année 2017 en relation avec, d'une manière générale, les différentes parties prenantes que sont les caritas diocésaines de Thiès et porter une réflexion sur ce que Caritas Sénégal doit pouvoir faire pour accompagner les jeunes qui sont donc présentement euh, sujets à ce qu'on appelle des perturbations socio-économiques. L'objet de cette Assemblée générale aussi, c'est un partage d'expériences entre les différentes caritas de zones, étant entendu que les caritas sont dans des zones d'intervention diverses et les actions et objectifs poursuivis sont d'une manière générale divers. Ça permet ce, qu'on appelle une capitalisation de l'expérience afin de permettre aux autres d'avoir, d'enrichir leur programme, leur programme d'action. Pour 2017, un bilan satisfaisant, un bilan à revoir D'une manière générale, donc, il faut dire donc, que euh, Caritas euh, Sénégal a réalisé au cours de cette année, en parlant de chiffres, dans le cadre de son programme annuel parce qu'on a un programme d'investissement sur deux ans consommé à l'État du Sénégal. Mais pour le programme annuel 2017, euh, le budget réalisé est de l'ordre de 4 milliards 499 millions de francs CFA. Pour dire, pour dire vrai, et dire donc que c'est une contribution significative de Caritas Sénégal pour soutenir l'action de l'État dans le cadre de son développement et insister davantage sur les populations les plus démunies. Parce que l'option de Caritas Sénégal, c'est d'accompagner les populations sénégalaises, plus particulièrement les populations qui sont en situation de vulnérabilité. Voilà, justement, donc c'est certainement, on aurait dû en parler peut-être le lendemain, étant entendu que la thématique sera développée le lendemain. Mais euh, pour les pistes de réflexion, étant entendu donc que Caritas euh, travaille en milieu rural, d'une manière générale, l'action entreprise sera donc de se focaliser d'une manière générale dans l'agriculture et la formation. Bien entendu, il y aura des offres de services par rapport au milieu urbain, sur des thématiques, notamment sur la migration, mais aussi sur les métiers porteurs tels que l'accompagnement des jeunes dans euh, ce qu'on appelle les technologies renouvelables, en particulier le solaire. Abbé Alphonse Sec, je suis secrétaire général de Caritas Sénégal. Nous nañu fii Thiès qui ak suba ci ndaje boo xam ndaje am solo la ndax at dañ koy toxal nag ren Thiès la daaw mu nga woon Kolda euh, année prochaine dina dem feneen euh, mu di ndaje bu am solo ndax dañ ci xalaat loo xam ne dafa soxal réew mi tey ñu jël wàllu xëyu ndaw ñi parce que li li ñu gën a jàpp mooy situation bi nga xam ne malgré effort yi ñuy def parce que état bi day def ay effort entreprise privée yi dañuy def ay effort waaye bi léegi gis nañu ne lu wàllu xëyu ndaw ñi il faut ñu gën cee liggéey moo tax ñun ñu bëgg a ànd xoolaat mbir moomu xalaat lan lañ ci mën a indi te mën a euh, séddale itam suñu xalaat ci loolu moo waral thème bi ñu jël ren waaye assemblée générale loolu partie bi ñoo tuddee euh, session d'étude la. waaye euh, assemblée générale ku ko wax da ngay euh, xalaat waxtu boo xam ne euh, ñi yore responsabilité ci ci mbootaayu Caritas dañuy ñëw wax li nga xam ne mooy seen liggéey ndax ñi fi teew mën a xam ci lan la ñu ne dëgg la tey ONG yu mel ni Caritas am nañu jafe-jafe ndax soxla yaa ngi fi waaye fi ñoo jëlee xaalis bi tamit gën naa metti donc soo xoolee soxla yi fi ñu toll ak euh, jafe-jafe yi ñoo am

jafe-jafe yi am parce que les léeg nga gis situation bu nek par exemple ci région yi ci walu nutrition ci walu euh, li nit ñi lekk te mënoo ci indi lu am solo lolu dafa metti ci ñun euh, alors motax mané ah, ñu ngi continuer suñu yoon parce que euh, li tax ñu taxaw ñun Caritas moy nit ki

Euh, su ma xoolee rek programme d'investissement bi nga xam ne moom la gouvernement bi di di di nangu ñaari at yu ne loolu ndimbal bu mag la xëy na nag laaj na ngeen am ay moyens yoo yoo leen di defee ay investissement parce que suñ leen defaree programme d'investissement te amu leen tamit loo leen investir euh, du leen jëriñ lu bëri. donc mais loolu euh, disposition la bo xamné état bi yag nako ko jël te vraiment ba léegi mu ngi ciy wéy euh, ñu ko ñu ko ciy sant di ci gëreum ndax baxna ci Caritas té defe naa ONG yi am euh, facilité yoyu tamit gis nañ ci lu bax yaa ngi doon wax sànq hmm. yenn jafe-jafe yi faral di am ci kaw gi rawatina ci wàllu dund. foofu tam da ngeen ciy jëf ay jéego di ci intervenir. xam nga sax dañoo am nu ñoo doxalee ci wàllu yooyu suñu génnee ci nawet. dañuy boole li nga xam ne moom la ñu jot am ci information boole kook information yi jógee ci service su nguur gi pour xool lan la ñu mën a def parce que su boobaa day fekk ñu xàmmee zone yi nga xam ne ñoo gën a nekk ci jafe-jafe te te ñun su boobaa li ñoo def dañoo woote Caritas international bi nga xam ne siège mu ngi Rome

J'appelle Ndiaboti, d'appeler jàppale leen walu projet sécurité alimentaire les familles d'élevage, def familles les jardin ainsi de suite euh, Lolo ce tax ñu gën leen